Nous remercions notre sœur pour cet éclaircissement à ce sujet. Et maintenant, je me dirige vers notre frère Abu Inaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous te remercions d'avoir répondu à notre appel. Et peux-tu nous en dire plus sur les parties qui doivent être couvertes chez l'homme Alhamdulillah. Tout d'abord, c'est un plaisir, un honneur d'être ici en votre présence pour pouvoir répondre à ce sujet. Nous devons savoir que l'islam accorde une grande place, une place importante à la pudeur de l'être humain. Il est primordial en islam pour l'homme comme pour la femme de se vêtir de vêtements qui protègent la pudeur de chacun. Allah il nous dit dans son livre saint, Allah le Très-Haut, il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, Ya Bani Adam, ô fils d'Adam, masjid. Portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements, dans chaque lieu de prière. Aï, usturu c'est-à-dire couvrez vos parties intimes, que ce soit dans un lieu de prière ou en dehors. Mais quelle est la partie intime de l'homme ما عورة الرجل؟ عورة الرجل ما بين سرته وركبته. Donc la partie intime de l'homme est ce qui se trouve entre son nombril et son genou, ses genoux. Comme il a été rapporté dans la Sunna, كما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ce qu'il y a entre l'ombril et le genou est une partie intime. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daoud. Il a été également rapporté dans un autre hadith عن جرهد الأسلمي قال il dit مر رسول الله صلى الله عليه وسلم le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il passait